Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Vous êtes connectés depuis Agadez. Nous allons profiter de l'occasion pour vous dire what you want. Tout ce qui nous kiffe, depuis Difa, Indewatu, Kilewa Saleh. Nos amis téléspectateurs et téléspectatrices qui nous kiffent à travers nos télévisions partenaires connectés depuis Maradi, depuis Zender, depuis Tawa, Inakwanankou. Tous qui nous kiffent, alors je parle connecté depuis Dosso, Tilaberi, Niamey, Matarankani. ce qui kiffent cette émission aussi à travers le site du studio Kalangou donc à travers le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue sur la rubrique L'artiste s'exprime. Pour les fidèles de l'émission, vous avez certainement une idée de comment est-ce que la comédie évolue ici au Niger. Nous avons reçu des artistes comédiens à moult reprises sur cette émission. Nous allons continuer donc aujourd'hui dans la même logique. Nous allons recevoir dans quelques fractions de secondes deux artistes qui font la fierté de la comédie Made in Niger. Ils font le buzz sur la toile, ils cartonnent quand pas possible sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes avec Nang, Aïssi Nang. Les gars, on vous souhaite la bienvenue. On ah, vous souhaite la bienvenue. Ouais, mon anan. <laughs> Mon anan. Donc, eh. du coup, Kazamanto Nanchena. Eh, oh, eh. Ni Aïsine ne dan ban bari. Baka bari. Eh, ban ta bari ko. Nan. Ai <laughs> Donc, du coup, irgo gar ku bane émission ba. To, fanna irmo irne aka. Donc, émission on misali ga annafa kati bore kul kayanko girankan. De bore kul kayanko im duaran bon labari im bay mai kata aran tunan nina isintina parce que nin eno te barkan kata dangana donc boro mo rishin dangana izono wala wallahi ay gima kan an fo aga bani sobe aga traité de tous les noms wallahi hay wara donc déjà nino goni suru nino ga kalme wat kulu to mai katinan ay no katana to faman de se ifo no go banda nan wo hankan sai ay ginan kata burawo za kawai yara zama kawai no irfun kawai no irfun kawai no irfun ina diradan kawai yara zam burawu mai garwon hinkine no azaginera ok guno ta mafarka na irka kwara wura irne to ahimu irmo irmo ke dangidi ifo no mai dir fur irgu kan nan dir ye yara irme de mot beriye noro irmu te de arzaka beri ko yankwa me a akande sai mota sanni sonda sonda ya kawo mini zancen mota mai ba kana da mota deja mota mai farkin nan a'a wannan ta birni ce ka san ina da mota ma wannan motan da shi shina gai ma jakki ne can kauye mu ba mu ce to mu mu waye ne ba mu ce mota jakki mai kawo hudu kenan tarkan nan motan ka mota na birni ne ka motan birni ne me duk abun da an ka ce maka shi da kawo dai mota ce mutum ma mota ce mutum shi da kawo huwa kenan kana biskan 11 kenan 11 to na ji wannan labari nu wannan mm. ai min hasan nifo nan mayo sanga alita civil matini gine ni se ifo no ni gote na bafu na rakan ni ka komediyo kan ka komediyo mm. ai man te kala mekanik chawyan mekanik chawyan mm. call fora te cfpt gamkale mm -hmm. I take So on the stage now I go to La Nigerian de l'automobile. Me matini gine mayo kango. Ay mayo de kata hamma isaka. hamma isaka de daino hamma isaka na misali ga ni ci faman dirsi an kan siginin senna na ma aina ma faro ki aransi dubbinai tun aynoga yama ay sina bay bon koynoɓo bono bono gasi wala aga bon bonte ko berino ego cen sayge magani sobo mo bono aynoga bay nan ay sina nan ay sina nan ay sina ay sina no nig ndi kir sen ma mat kigi cini se da ay sina banda i fono go te pour que hon kon bore go garan suivre sur les réseaux sociaux de bore kango garan gun telara de bore go garan hangan radio imbe me na ay sina nan wo mara wa sina wo mat kina na ga ta. sanga bu ai wo ai sini gine ai sina to zair kauya ran bo za mu dogari do dogari idi dogarin bogon do ni bai dogar ni sin san ni kinan no ina ni zai kauya ra ka bi san ni follow sin sen hangam ai si hangan ai bo si hangan hangan ai si hangan mm. ai kala kan gwara hangan na mai mu si hangan ai si hangan mu hangan ai si hangan aima aturaifa <laughs> aise bai fam da me mente ga suivre facebook ko bo du mon tibor ga tour zino dura yango di mo saneno sanino to chir se me ti me gite aisina i know aisina ima aima ni ma yo ne ga banim chese aima no ti abdul razak mamman ibrahim to i fono fula o kan gogo gonjo eh fula kan ni go di arana haya kul go me ni bai Jimmy. <laughs> Yadga, misali ga dure mon bosa dino ko. Sa dino. <laughs> Wo kan te difono na se. Nya mari. Ah ah, nim che yon fote ka difono ite ka na ga dure. Mm. Oh, oh. ay no gane chimi. Oh. Sang dia ay bang gane chimi. Boro da bang dure ay ne chimi. Matkul kan nugo da matkul kan ka da irga er ngono gudu chimi. To ay ma, wone wo banda. Difono mm. nugo te ni ba funara. Ayiba Funara ay technicien supérieur en maintenance, communication, réseau social. Kone ay Nations Unies ay gono Nations, Unies a office de programme. To son ay mara hasan ne fo. Halir kanda misali masalai kan yaran production ra parce que bientôt on aura l'équipe de production avec nous dans le deuxième angle. Arwo halarang fur comédie ora. matanda matanda chini fono na aranda ara nan ni ne sinti da ayo hakan ne dan komediyo rakat oh. za za go primer ai akane se haranda haranda ni don ga tele kol ai don ga te inda tele mhm. hal ba ai gidi abdurazak mhm. ai ba komediya parce que ai primero ai manate kala kawira mhm. parce que ngwa age ago te film agi dia film media gi suivre ai ne tubra il faut que ai media idea borfona ica ba ane abdurazak yankwano aika inte ir sentin parce que kai kage gar igote film ninja no igote mhm. film d'action irin film d'action wadin ta inda après dai irna so irum te comedy irgo te sato di irum mayo no kata comedy kanglala comedy kanglala comedy kanglala tonen ma boro kango kaba peni kaba izi folon sa se tolo dena go peni misali ga nuro na dumano ame kin popora zai awo kasko peni to nuro kasko dena go di kaba bo boradi zame sigi de hamni ba dir eh. ga na go ago kaba din peni ifo deno nen danno comedy wora. zade kirbe de kan misali gan gon dan kan dan kan gote ni bo boro gon kan di ni go ara comedy ara git furkure ni go di to in be kan ni gondin murado ni go me ni ne dai ni kai ni ma ti fonu ni dangara ni ka san abin da ya sa ni ma ni ne ne ya sa ka abin da ya sa na shiga ga ya mini mushi tun tun tun tun tun lokacin da su chef kutkulli Allah ya ji karrai ne mu mhm. kakannin mu ne mhm. to lokacin da maya sun karasu na lokacin ina da yaran ta kamurai sai na ce to ta ina da nasaru suka ce amur in kamar ina santima da yawa ne kullum ta lokacin da na fara ta yi na ina voyage na je wajen premier eh, voyage ina na je ghana daga ghana na ce wani ekol ana ce mishi ekol de comedy na je wajen suna na ware karatu suna koyi da ni haka da haka me dai na turma kamar ni da kaina mutum ne wanda ko a banza ma ta in baka dariya da Allah gaskiya ne Allah yo dariyan ba yanzu ne zaka ban cikin angal de ne zaka mai dariya kai hmm? ka jiran ba zan can nan sai nan ne kai kanka da akwai nisar da gwana kai hanka an ai mu hago da a wai shi dai na ga ah, maka shi a ka sai duk duniya suna nan suna diba mu yanzu ho ba mu damu mu da kai mu yi ta nan a ah, ba yi gankuri kashi na <laughs> lai boro gar ka santano to kai mena sa ni fu nous sommes la fin de la première rubrique du premier angle nan dai ne no misali ga message bore kulkayen yanko girkun se bore kango garan suivre di misali ga bore ku kan gingi taran sai fo ifo no sanni zo kan ngi se sanni kain fo i dunguru ya amsu kuguma sanni kain fo i dunguru kan su kuguma oh, ne jere na ba sanni jere kata bore irma gajerize to bore ka yango ger gun rezo so ba zam so rezo so mon de no irgo gun de bayan ase telamo waran sintin karaba telamo bien telamo bientôt irga karaba bore ka yango gir suivre dai irga bayma abone bore kulka yongo zamso alirnu fattuno ngoyrugo ko fu mboda bo riyan kan nan irsi mebe wallahi to hankir bay gade ima abone bore kan ngogi sur réseaux sociaux youtube facebook dinir guna nim like nim abone ko ne sponsorisation irba sponsorisation vraiment ta irkan do ne kursan angle dara nan aisna hmm? maintenant qu'on a le message bananta misaliga samedi émission foranko hausawa na angano warga banam tonan birsi da sanni follon gono di hinkano am sibisi hinsa ni maganan da nika so in cire mutane in kwatanta musu munan nan mu Nijar mm. ya kamata mm. <laughs> ya kamata a ce duk mutanen da suna nan suna diba abun ba da dariyan mu kaman wa abubuwan da muna gai wanda suna sadu al'umma na Nijar da Nyamai da kowa da can daji da ƙauyuka da ko ina mhm. muna so ne a cin ta biskan YouTube da Facebook mhm. a yi abu ne biskan fashi mu na akwai shi nan da kasa nan aisi nan mhm. kana same mu

L'émission continue hein, juste après la rubrique avec la Miss Et nous prenons donc congé de nos amis artistes. On se donne donc rendez-vous demain dimanche dans un deuxième angle pour parler de la carrière des artistes, des épisodes, de tout ce qui va avec, de la production à la diffusion. Merci Moustaphe qui était de l'autre côté. Merci Bibi Philippe. Merci Saka. Ils sont nombreux dit n'est que la partie visible en question de l'iceberg souci. Ladies and gentlemen, c'était la machine sur l'artiste s'exprime.